برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن يوينان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir célébrer et se remémorer la naissance d'une créature qui a changé le cours de l'existence. Euh, je voudrais tout d'abord euh, saluer et faire la ziyar à Tiano Ahmed, ainsi que par le biais de Tiano Ahmed, Cheikh khaidi qui nous a enseigné et qui nous enseigne à chaque jour, à chaque instant, à chaque moment, euh, le comportement, euh, nous enseigne la vie, nous enseigne l'amour euh, de Cher Ibrahim Nias euh, concernant euh, envers Cher Tijan, anhu, et envers Rasulullah sallallahu alayhi wa Qu'Allah les bénisse, leur donne longue vie et à toute la jama'a, Inch'Allah. Donc ce soir, moi, je, vais, je voudrais commémorer la naissance de Cheikh Ibrahim Nias, anhu, euh, à ma manière, en vous récitant des versets, des, des, poésies, des poèmes que j'ai composés durant, toute mon, durant tout mon cheminement spirituel. Euh, dans, il y en a un que j'ai, que j'ai dénommé Nias. Ce poème dit, de nous tous, tu es le véridique. Tu es le seul détenteur des haqaïq. Aucun autre que toi nous donne la vision magnifique. Tu es le seul qui possède la connaissance initiatique. Aucun autre que toi n'a cette compréhension de la religion islamique. Tu parachèves la création de l'être adamique. Grâce à toi, la créature ne connaîtra jamais le shirk. La moindre, le moindre de tes disciples, tu en fais un gnostique. Tu clarifies la sunna, le Coran et leur symbolique. D'Allah, tu nous dévoiles la vision mystique. Jusqu'à la mort, notre existence est changée pour toujours en un seul déclic. Puis il y a un autre poème que j'ai composé sur Cheikh Ibrahim qui s'appelle, Barhama. Alors qu'on était mort, on ne savait pas Barhama. La vérité, on ne la, vivait pas Barhama. Et Allah, on ne le connaissait pas, Barhama. Dans la poitrine, le cœur, on ne le sentait pas, Barhama. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est très fier de toi, Barhama. Les arwah sont de retour vers Allah, Barhama. Cheikh Tijani ar-ranu, est fier de toi, Barhama. Enfin, la faïda se répandra, Barhama. En tout temps, l'iman, on le voyait pas, Barhama. L'humanité marche et suitait pas, Barhama. Alhamdulillah. L'islam, l'imam de la faïda et là, Barhama, nord, sud, est, ouest, tu voyages à Barhama pour déverser cette précieuse faïda Barhama. Des quatre continents, on se, déplace, on se déplacera Barhama pour te remercier jusqu'à Medina Barhama. Nias Sherbaï, il n'en est qu'un, c'est toi Barhama. Grâce à toi, notre vie changea Barhama. Pourquoi prier, on ne le savait pas Barhama. Pourquoi jeûner, on ne le savait pas Barhama. Tu nous as donné réponse à ça, Barhama. Désormais, on sait pourquoi on adore Allah, Barhama. Je jure par celui qui un jour m'amènera, Barhama, avant que l'ange de la mort ne se pointera, Barhama. Cher Ibrahim, en toute vérité, le confirma, Barhama, qu'Allah, avant la fin, tu le connaîtras, Barhama. Quand lui, on s'unira et se séparera, Barhama. Notre amour pour toi jamais ne cessera, Barhama, et ce, jusqu'à notre dernier souffle, Barhama d'augmenter notre amour pour toi ne cessera, barhama J'ai composé aussi un autre poème, un, troisième poème. Ô oh, cher al-Islam, c'est toi qui as fait voyager mon âme. Nias de toi jamais on se lasse. Maître et porte de la faïda, sans cesse notre amour grandit au son de ta voix. Tu nous as donné le plus cher de ce que tu as, ce trésor des trésors, ce secret des secrets, la tarbiya. Après, rien n'est jamais comme avant et chaque jour qu'Allah fera sera sans cesse, nous te remercierons. Allah vrai tu es et tu seras. Muhammadou sallallahu alayhi wa sallam, divinité à travers toi. Tijani radiranu, amour, essence, bonté démontrera. Nias, toutes ces vertus dans les espaces et les mondes tu, tu représentas. Moi rien ne suis-je sans tout cela. Donc voici euh, ces quelques poèmes que j'avais composés à l'intention de notre maître parfait, éducateur exemplaire et complet, Maulana Al-Hajj, Sheikh Al-Hajj Ibrahim Nias, qu'Allah accepte notre ziyar, qu'Allah accepte notre euh, Gamou euh, ainsi que nos prières, et qu'Allah nous pardonne nos péchés, et qu'il augmente notre amour envers Cheikh Ibrahim Nias, Cheikh Al-Khayri, Cheikh Ibrahim Nias, Cheikh Ahmed Tijani Sherif, Cheikh Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa ورحمة الله wa barakatuh. برهام باء وراء ألف ثم هاء mi mun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy naan